à l'heure actuelle, c'est la période de reproduction chez les, chez les girafes. Et il s'est trouvé que pendant la période de lutte chez les mâles, euh, il y a des combats entre les mâles. Hein, parce que pour accéder à la femelle, il faut être, il faut être <laughs> le, plus, fort. Donc, euh, antérieurement, ils ont fait le combat. Et c'est souvent des combats qui sont. Nous, on, nous, on sait déjà que c'est des combats qui sont souvent mortels. Hein. Donc, vous allez voir qu'ils vont se balancer les têtes avec les petites cornes qu'ils ont là. C'est avec ça qu'ils font les combats. Donc, ils ont fait combat jusqu'à ce que euh, donc l'un d'eux a été affaibli, il était, il était tombé. Malheureusement, là où ils ont fait leur combat, là, c'est sur le lit d'une rivière. Et il était là, il était blessé, il était là. Et, dans la soirée, donc la est venu. Le chemin était parti parce que quand, là, quand il a vu que l'eau a commencé à chauffer, il est sorti de l'eau. Mais l'autre, il était chose, il était couché jusqu'à ce que l'eau donc euh, était devenue une quantité très importante. Et l'eau donc l'a inondé et n'a pas pu se relever pour sortir de l'eau. Le, matin, euh, notre équipe de courée a été informée. Elle s'est déplacée sur les lieux euh, quand ils étaient arrivés, l'animal était vivant, il avait la tête hors de l'eau. Mais vous savez, le temps de rassembler euh, toute une population pour faire sortir euh, donc, cette girafe de l'eau, malheureusement, il était, il était dans l'incapacité de continuer, de continuer à tenir la tête. La tête avait, s'était baissée. Et vous savez, dès que il n'y a plus de possibilité de respiration dans l'eau, c'est fini pour l'animal. Et l'animal était mort. Alors, ah euh, la population était venue, bon, ils ont tiré la carcasse, il était mort. Ah Alors, est-ce que cela ne va pas avoir des conséquences au niveau de la reproduction Non, ne pas avoir de Non, en fait, en réalité, c'est connu hein, au niveau du monde animal, surtout au niveau des girafes. Et en fait, euh, la girafe, elle est polygame, un mâle pour beaucoup de femelles. Donc il y a toujours des mal euh, pour toutes ces femelles-là. Il n'y a pas de problème pour ça. Hmm. Ah hmm. Alors, alors est-ce qu'il y a des dispositions euh, qui sont prises pour euh, épargner les, les, les, autres individus bon, la, grande, <clears throat> la grande solution que nous avons, c'est l'information. Nous, utilisons souvent les radios communautaires pour informer la, communauté. Si vraiment ils voient une girafe en danger, euh, d'essayer donc de, de rapporter, d'informer euh, donc notre équipe. C'est ce qu'on fait. Sinon, nous n'avons pas une formule autre que d'informer pour que rapidement qu'on puisse secourir.